L'historique des confrontations Côte d'Ivoire, Cameroun. 15 matchs, 38 buts. Publié par ami-sportif.com. La sélection de Côte d'Ivoire retrouve son éternel rival camerounais ce lundi 6 septembre au stade des Bimpés à Abidjan, lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Cette rivalité entre deux des plus grandes nations africaines de football est vieille de 51 ans. Quelle équipe domine son adversaire dans l'historique des confrontations Cours d'histoire. La Côte d'Ivoire et le Cameroun sont deux grosses pointures du football africain. Elles cumulent à elles deux sept Coupes d'Afrique, cinq pour le Cameroun et deux pour la Côte d'Ivoire. Rivales depuis 1970, les deux équipes se sont affrontées à 15 reprises dans leur histoire. Avant le choc de ce lundi 6 septembre au stade des Bimpés, nous avons fait le point des confrontations Côte d'Ivoire-Cameroun. Malheureusement, les éléphants ne possèdent que 7 victoires sur les lions indomptables contre 8 défaites et un match nul. Elim, Cannes 2022, tenu en échec au Mozambique, les éléphants doivent réagir contre le Cameroun. 6 février 1970, Khartoum. Cameroun 3 à 2 Côte d'Ivoire, Cannes 1970. 17 mars 1986, Le Caire. 23 janvier 1992, Dakar. 30 novembre 1995, ah, Libreville. Côte d'Ivoire 2 à 1 Cameroun, match amical. 2 janvier 2000, Accra. Cameroun 3 à 0 Côte d'Ivoire, Cannes 2000. 25 janvier 2002, Sissako. Cameroun 1 à 0 Côte d'Ivoire, Cannes 2002. 11 février 2003, Châteauroux. Cameroun 0 à 3 Côte d'Ivoire, match amical. 4 juillet 2004, Yaoundé. Cameroun 2 à 0 Côte d'Ivoire, Qualification à l'ECDM 2006. 4 septembre 2005, Abidjan. Côte d'Ivoire 2 à 3 Cameroun. Qualification retour CDM 2006. 4 février 2006, Le Caire. Cameroun 1 à un Côte d'Ivoire. 11 table 12, Cannes 2006. 10 septembre 2014, Yaoundé. Cameroun 4 à un Côte d'Ivoire. Qualification à les 2015. 19 novembre 2014, Abidjan. Côte d'Ivoire 0 à 0 Cameroun, qualification retour Cannes 2015. 25 janvier 2015, Malabo. Cameroun 0 à 1 Côte d'Ivoire, Cannes 2015. Le bilan de la Côte d'Ivoire contre le Cameroun. 15 matchs. 7 victoires. 8 défaites. 1 ah, nul. 15 buts marqués. 23 buts ah, encaissés. Plus large victoire, 3 à 0, Match amical, le 11 février 2003. Plus large défaite, 4 à 1, éliminatoire Cannes 2015, le 10 septembre 2014. Match le plus prolifique, 5 buts, éliminatoire Cannes 2015, 4 à 1.